commandant Papa Arone Gueye commandant des troupes. commandant Papa Arun again, commander of the troop. I was colonel. commandant Papa Arou Degay, commandant des troupes. À vos hommes général. the ball. Drapeau, rejoignez votre un repos. Monsieur le représentant du gouverneur de la région de Thiès, Monsieur le colonel commandant la Légion centre-ouest de gendarmerie, Monsieur les représentants des chefs d'état-major d'armée, et directeurs de service, messieurs les commandants d'école et chefs de corps, messieurs les officiers, sous-officiers et militaires du rang, officiers, sous-officiers, gendarmes et militaires du rang du 10e contingent de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali. Mesdames, Messieurs, honorables invités, au nom du général de corps aérien, chef d'état-major général des armées, l'honneur me revient encore une fois de présider aujourd'hui la cérémonie de remise de drapeau à votre contingent qui s'engage sur le théâtre malien à partir de fin décembre. Au terme d'une longue période de regroupement qui aura été riche en actions, vous voilà prêt à rejoindre le théâtre malien dans le cadre de la contribution de notre pays à la recherche de la paix et de la stabilité dans ce pays frère, avec qui nous partageons une histoire et une géographie commune. La préparation de votre contingent a été intense et diversifiée. Dans un effort destiné à faire face à tout le spectre de menaces auxquels vous pourrez être confrontés dans votre futur théâtre de déploiement. Au-delà du caractère du volume d'engagement que vous représentez, les spécificités du théâtre du Mali, caractérisées par le terrorisme et l'extrémisme violent, commandent en effet d'accorder une attention particulière à la mise en condition d'emploi opérationnel de votre contingent. Vous avez ainsi été entraîné au niveau état-major comme celui de la troupe, au savoir-faire spécifique des opérations de maintien de la paix. Dans ce cadre, l'assistance technique de nos partenaires américains à travers le programme Africom, de nos collaborateurs français par la mise en œuvre de détachement d'instruction opérationnelle et de l'UMAS dans le cadre de la lutte contre les engins explosifs improvisés a été encore une fois particulièrement apprécié. Je voudrais saisir l'occasion de cette cérémonie pour exprimer à leurs représentants ici présents et au nom du chef d'état-major général des armées notre profonde gratitude. Vous avez également, dans le cadre d'un module d'agréissement et d'accoutumance au milieu semi-désertique, effectué un séjour au centre d'entraînement tactique colonel Tcherno de Doji, durant lequel l'accent a été mis sur le combat, le tir, la formation aux opérations d'entretien du matériel, la préparation physique et le renforcement de la cohésion. De plus, votre contingent a participé à la manœuvre nationale Falemé 2020, affinant ainsi sa préparation tactique avant l'engagement dans votre zone de déploiement. Enfin, un cycle de conférences organisé à votre intention a permis non seulement de vous familiariser avec l'environnement politico-militaire et socio du Mali, mais encore de vous faire connaître la MINUSMA et son mandat. Il a permis aussi de vous rappeler les principes du droit international humanitaire et de vous sensibiliser aux abus exploitant son section. Officiers, sous-officiers, gendarmes et militaires du Nord, décembre par 10 MINUSMA. Voilà donc bien armés, techniquement et matériellement, pour faire face aux missions qui vous seront assignées. Bien entendu, ces aspects techniques ne sont qu'une partie du viatique qui vous permettra d'être à la hauteur des attentes qui sont placées en vous. En effet, le plus important, sans doute, sera votre sens du caractère sacré de la mission et votre esprit de discipline. Vous devrez également prendre conscience que vous serez des ambassadeurs du Sénégal et de ses forces armées et les porte-étendards de l'engagement de notre pays au service de la paix et de la sécurité internationale. Il vous faudra donc toujours avoir à cœur la préservation du renom de notre armée, à l'instar de vos prédécesseurs vous serez déployés dans une région du monde où la violence aveugle et la désolation règnent en maître depuis trop longtemps. En dehors des actions violentes perpétrées par des organismes, par des organisations extrémistes violentes, le conflit a opéré un glissement vers des violences communautaires aux conséquences dévastatrices. Il vous faudra faire preuve de compétence, de lucidité et d'intelligence de situation pour faire face aux situations imprévisibles et soudaines et qui demanderont de votre part des réactions des comportements appropriés. Yambar Michel Bardis, ministre, au nom du général de corps aérien, chef d'état-major général des armées, je vous exhorte à rester unis et à faire bloc autour de vos chefs. Soyez des modèles des mais aussi par votre comportement de tous les jours, les acteurs engagés dans toute initiative visant à maintenir le drapeau qui vous a été remis. Par ailleurs, n'oubliez jamais que vous avez laissé en base arrière vos familles, qui prient pour votre retour à leur côté. Face à l'éloignement et à la solitude, je vous exhorte donc à leur accorder une attention particulière. Le commandement, pour sa part, fera preuve de diligence à leur endroit et ne ménagera aucun effort pour leur apporter le soutien des armées officiers, sous-officiers et militaires du contingent Saint-Baptiste MINUSMA. Dans les moments les plus difficiles, au cœur de l'action, souvenez-vous qu'en tout temps et en tout lieu, vous devez maintenir haut le drapeau de Guerre en 2018 en France. Le capitaine Soukachale, commandant dirigé de la CSAS, et issu de la 20e promotion de l'École nationale des officiers d'actifs de Thiès. Il est un officier cycle à l'exception section suivante. Chef de section au 5e bataillon d'infanterie en 2015. Chef de section de la 37e promotion de l'École nationale des officiers d'actifs de caisse de 2017 à 2019. réception d'infanterie à l'AI de Thiès en 2013. Le capitaine Babadio est issu de la 31e promotion de l'École nationale des officiers d'actifs de Thiès. Il est de l'armée d'infanterie aéroportée. À sa sortie de corps en 2013, le capitaine Diop a occupé successivement les fonctions suivantes. Chef de section l'a été successivement chef de section au 12e bataillon d'instruction de 2014 à 2015, chef de section au 2e bataillon d'infanterie de 2015 à 2016, chef de section de la 36e promotion de l'école nationale des officiers d'actifs de 2016 à 2018, chef de section au 5e bataillon d'infanterie de 2018 à 2019. Depuis juillet 2019, commandant l'unité de la 6e CV du 5e bataillon d'infanterie. Il est nommé au grade de capitaine le 1er octobre 2020. En face de vous, le lieutenant Papa Amadou commandant la compagnie motorisée. Il est issu de la 34e promotion de l'École nationale des officiers d'actifs de chasse. À la sortie l'école, le lieutenant John a été successivement Chef de peloton, 24e bataillon de reconnaissance vie, de 2016 à 2019. Chef de peloton, au 22e PRA de 2019 à 2020. Et à compter de juillet 2020, commandant de la première compagnie de reconnaissance vie, du 22e bataillon de reconnaissance vie. Je suis le lieutenant-colonel Théodore Riensard. Je commande actuellement le 10e détachement sénégalais en partance pour le Mali. Pouvez-vous revenir sur la formation de La formation s'est globalement déroulée en, trois phases. Une première phase ici même à, à qui consistait pour l'état-major en la maîtrise des techniques d'état-major dont on aura particulièrement besoin pour la conduite des opérations sur le théâtre et pour la troupe de savoir-faire basique pour euh, notamment en tout ce qui concerne le sauvetage au combat, la lutte contre les engins explosifs improvisés et tous les savoir-faire nécessaires au niveau de la troupe. La a été conduite au niveau du centre d'entraînement tactique colonel Tchernondia et de Doji où nous avons essentiellement procédé à de l'accoutumance au, milieu euh, dans la mesure où le milieu semi-désertique de Dodi est similaire à celui dans lequel on va opérer euh, lorsque nous serons en République malienne. Et enfin, la troisième phase a été globalement ce que j'appelle une synthèse et un test pour nous, euh, puisque nous avons participé avec l'ensemble du bataillon à la manœuvre Falemé 2020 dans la zone militaire numéro 4 en région de Tambacounda la terre malienne, est un peu compliquée parce que euh, général l'a tout à l'heure Effectivement, le, théâtre malien est de plus en plus compliqué. mais par contre, le détachement a, suivi un entraînement assez pointu et qui répond aux exigences du théâtre vers lequel nous allons être déployés. L'état d'esprit des hommes Nous avons beaucoup travaillé sur la cohésion, sur la cohésion qui est à mon sens, un facteur essentiel de réussite de n'importe quelle mission militaire. Et j'ai confiance dans la capacité et dans la volonté des hommes d'aller au bout de cette mission. Wow, euh, la formation bi waaw formation bi ci ñetti euh, fan lañ ko lañ ko tëralee bi bi dañoo nekk fi Thiès euh, tagat état major bi ak troupes yi ci lepp li ñuy soxla pour suñu démé Mali bi ñaarel bi moy biñu démé demee Dooji nga xam ne foofu euh, nekkuwaay bi ni mu mel dafa niro ak nekkuwaayu Mali fi nara déployer déployé donc euh, dernière phase bi nak phase bi moy euh contrôle bi ñu def manam participer ci manœuvre nationale bi ak ensemble bataillon bi nga xamné nañu xam lan lañu mën ak lan lañu mënul fan lañu nara yok suñu suñu kattan ak li nga xamné wër nañu nek li mën nañ ko def bu baax. Sène du nah, ci niñu tagaté suñu bop gëm nañ né que lépp li théâtre malien bi di laaj yor nañ ko fiñu ñu toll nii ah. tàggat nañ suñu bop bu baax xam nañ bu baax lan lañ fay fekk té ci loolu lañ tagat suñu suñu bop ah. euh, théâtre Mali dafa doon fo xamanteni particularité la. ndax état d'esprit homme yi nekk na au beau fixe ndax pare nañu ndax pare ak pare dafa am Mali dafa doon benn kaa boo xam dafa particulier waaw ci li ñu gën a tàggat suñu bopp nekk benn euh, aspect bu rëy la fa la fa nekkoon ndaxte gëm nañu ne que euh, suñu nekkee benn manko ñun ñëpp amul mission boo xam ne dinañu të donc mu doon Mali mu doon feneen fi ñu toll nii gëm nañ ne que euh, sañ-sañ ak fit bi gaay andal mën na mën réussir mission bi Mali. mën nañ jàpp que état psychologique homme yi comme c'est au bon fixé par. pare nañ bu baax a baax.